forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou passé de 15 minutes, c'est l'heure du forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères journalistes pour décortiquer l'actualité de la semaine. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est en partie grâce à notre réseau de radio partenaires, 20 au total, diffusant chacune en direct les programmes du studio Kalangou dans sa zone d'implantation. Les points saillants du forum de la presse de ce soir, c'est d'abord le volet judiciaire. Cette semaine, l'on note la comparution devant les juges de quelques acteurs de la société civile et hommes politiques détenus. Il s'agit d'Abdurrahman Insar, le responsable du mouvement Révolution, démocratique dans la région d'Agadez. Il y a Amadou Jibo Dimax qui était lui devant le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Baba Alpha, le journaliste de Bonferré TV, lui et son père étaient également ce matin au tribunal de grande instance de Niamey. Ils ont été convoqués par le juge du 8e cabinet qui leur a signifié l'ordonnance de renvoi aux fins de jugement au plus tard dans 18 jours. Sur le plan politique, nous allons voir cette sortie médiatique des députés membres de l'opposition parlementaire qui ont dénoncé cette semaine le projet de modification de certains articles de la Constitution proposés par le gouvernement. Leur appréhension est-elle fondée ou non à suivre les réponses de nos confrères. En sport, à la Cannes U17, le Ménacadé fait honneur au Niger en décrochant deux qualifications, qualification en demi-finale de la Cannes U17 et conséquemment à la Coupe mondial de la même catégorie qui se tiendra en Inde au mois d'octobre prochain. Cependant, lors de la demi-finale, les cadets ont perdu face au Black Starlet du Ghana à la suite des séances de tir au but. Dimanche, ils tenteront d'arracher la troisième place face à la Guinée-Conakry. Volet social, les populations d'Ayoru dans la région de Tilaberi sont de plus en plus mécontentes des dégâts que causent les hippopotames. Ces populations ne peuvent, plus, ne peuvent tuer les hippopotames au risque d'écoper de lourdes sanctions vu que les hippopotames sont des espèces protégées. Enfin, la fermeture cette semaine du site orifère de Tamou, département de Saï. Les orpailleurs ont été sommés de quitter les lieux par les autorités départementales qui évoquent des raisons sécuritaires et une menace sur l'environnement, notamment la forêt. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes en compagnie de nos confrères Roufaï Dandoua, journaliste indépendant. Bonsoir Roufaï. Bonsoir. Elhaj El Hadj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir euh, Suleiman. Bonsoir. Et Murtala Mamadou du journal La Griffe. Bonsoir Murtala. Bonsoir. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à tous. Nous, débutons ce forum par ce volet judiciaire. Je le disais en début des comparutions devant les juges de quelques acteurs de la société civile et hommes politiques détenus. Tout d'abord, Abdraman Insar, ses responsable régional du mouvement Révolution démocratique, arrêté le 16 mai dernier, a comparu devant le tribunal de grande instance d'Agadez hier matin. Son procès a été par la suite reporté au 1er juin et la demande de liberté provisoire formulée par son avocat a été rejetée. Jibo dit Max est élu devant le juge du tribunal de grande instance pour la troisième fois. Le jugement au fond de son dossier est reporté pour le lundi 29 mai prochain. Baba Alpha, le journaliste de Bonferré TV, lui et son père étaient également ce matin au tribunal de grande instance de Niamey. Ils ont été convoqués par les juges du huitième cabinet qui leur a signifié l'ordonnance de renvoi aux fins de jugement au plus tard dans 18 jours. Dans ce dossier, l'on note la réqualification des charges retenues contre eux, à savoir faux et usage de faux en écriture publique. Désormais, c'est l'usage de faux seulement qui a été retenu. Alors, je m'en vais commencer avec vous, Elaj Suleiman Mahmoud du journal Niger Inter. Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention dans ces différents cas d'affaires politico-judiciaires Bon, euh, merci bien d'abord euh, pour cette euh, initiative de débat. vous l'avez dit, c'est une affaire pendante devant la justice et par conséquent, euh, à, ce stade, euh, il y a des précautions à prendre, c'est-à-dire que qu'on doit euh, un peu donc observer et laisser la justice faire son travail. C'est-à-dire qu'il me paraît évident que dans un pays, dans un état de droit, lorsque les citoyens croient à la justice de leur pays, je pense que ce n'est pas une plainte, une accusation que peut en fait qui, peut signifier condamnation. Donc je pense que le juge astronome et conscience euh, va examiner euh, donc, euh, ce qui est reproché donc, au prévenu et dire le droit. Donc moi de mon point de vue, pour le moment, on attend de voir donc ce que le, juge va vont, comme verdict. Et alors, Faye Dandoua c'est vrai, comme l'a dit euh, c'est une affaire pendante devant les juridictions. On doit être trop prudent dans les analyses qu'on doit faire, mais quand même, dès l'instant où à chaque fois que la justice libère quelqu'un pour qui on a de l'affection, on pense que la justice est indépendante. De la même manière, lorsqu'elle fait son travail et qu'elle condamne un de notre, il faut aussi, toute proportion garder, savoir comment faire une analyse pour ne pas dire que c'est lorsque elle libère un de notre qu'elle est indépendante pendant que lorsqu'elle condamne eh, un de nous, elle ne l'est pas. Moi, je pense que eh, si toutefois puisque moi personnellement, eh, je ne suis pas dans le cas, je ne suis pas peut-être interpellé ou incarcéré, mais personnellement, je préfère que, comme l'a dit le juge, d'étudier le dossier en fond et maintenant de faire un jugement définitif pour voir si oui ou non la personne est arrêtée. Si elle est lavée de tout soupçon il n'y a plus question de dire qu'elle est à liberté provisoire. Donc eh, l'affaire est finie parce que les lois sont claires au Niger, on ne pas juger une affaire deux fois. Donc dès l'instant où le juge, par exemple, lorsque eh, le sujet ou la situation sera traitée en fond, lorsqu'on dit que vous êtes lavé de tout soupçon, c'est fini, vous n'êtes plus sous la coupe d'une liberté provisoire. Moi je pense que quelque part, par exemple pour Max, eh, pour qui on a dit de revenir euh, le lundi, le lundi 29, si eh, les avocats viennent, ils vont faire une confrontation entre eh, la partie accusatrice et la partie défenderesse. Maintenant, lorsque eh, cette confrontation va avoir lieu, les avocats de Max vont essayer d'apporter les preuves que ce qu'on lui reproche ne sont pas fondés. Maintenant, si le juge, en son âme et conscience, comme l'a dit et Suleiman, juge que ce qu'on lui reproche ne tient pas, on le libère. Et il mmh. n'est plus à liberté provisoire, il peut aller vaquer à, ses occupations. Maintenant, lorsque de l'autre côté, on se rend compte que ce qu'il a dit, comme on a dit, il, sera jugé en flagrant délit. Si on se rend compte aussi que ce qu'on lui reproche, il l'a fait, maintenant aussi c'est à la loi de s'appliquer sur lui. Je pense que la justice doit s'appliquer pour tous, par tous et de la même manière sur le territoire du Niger. Mortala Mamadou, la justice doit s'appliquer partout, pour tous. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Sinon, je ne vois pas pourquoi euh, on continuerait à penser que nous sommes dans une société organisée ou bien dans une république. La justice, c'est ça qui, euh, c'est l'un des garde-fous qui fait d'ailleurs que la société, la vie en, euh, en société continue et qu'elle est toujours possible. Mais sur ces nombreuses affaires, euh, je fais remarquer seulement qu'il y a quand même un nombre assez important, assez important d'acteurs qui sont, qui sont quand même des acteurs des médias ou de défenseurs de droits humains, qui soient ou d'acteurs politiques de, de, de l'opposition, qui sont aujourd'hui dans des affaires affaires trimballées dans des affaires judiciaires. fussent judiciaires, et ces affaires, quand même, il faut pas le nier, euh, ont des impacts, ont des impacts sur quand même la perception du pouvoir en place vie par les, les, partenaires du pays et aussi au niveau de l'opinion, parce que il n'est pas évident qu'au niveau de l'opinion que tout le monde puisse comprendre que ces personnes sont incriminées parce que on leur reproche quelque chose et c'est qui se tout à fait normal. L'opinion perçoit ou va percevoir cela plutôt comme étant une chasse euh, contre les personnes qui serait peut-être euh, en train de, titiller le régime ou le pouvoir en place. Alors, vous savez, comment on dit, l'opinion est euh, dans société juge mal. L'opinion, elle juge, c'est un philosophe qui dit, mais elle juge mal. Et on doit laisser, par exemple, les juges faire leur travail. Tout est politique dans une société politique quoi que vous fassiez, tout est politique. Donc, qu'on arrête ou pas, qu'on incarcère ou pas, on va interpréter ça. Et chacun va interpréter tirer la couverture selon que ça l'arrange. Alors tous ces acteurs qu'on avait cités euh, arrêtés, est-ce un péril de la démocratie, de la liberté d'expression, ou plutôt une mesure pour préserver justement la stabilité sociopolitique, surtout quand on sait que la plupart de ces personnes sont accusées soit d'incitation à la révolte ou à un changement de régime Le problème ici, c'est que tous ceux qui sont arrêtés sont euh, des personnes qui dérangent, d'une manière comme d'une autre. Baba Alpha, moi, euh, c'est un ami, c'est un frère à moi, ça fait longtemps qu'on se côtoie, qu'on se connaît, je sais qu'il dérange. Maintenant, euh, on a profité de, cette situation pour lui attribuer, pour lui trouver des noises, comme on dit, et ils ont trouvé eh, cette situation pour laquelle il croupit eh, à la prison civile de Niamey. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, dès l'instant où on arrête surtout un journaliste, ça fait tache d'huile d'asile démocratie, même si par ailleurs les actes qu'on reproche aux journalistes sont fondés, ça fait tache l'eau. Dès l'instant où il est arrêté, vous allez voir les actions de défense des, journalistes à travers le monde qui font eh, des déclarations, toutes proportions, gardées. Et maintenant, ça peut aussi impacter sur eh, le niveau du respect de liberté fondamentale, mm. de liberté d'expression dans ce pays, dans les classements internationaux. C'est de la même façon que les hommes politiques, surtout aujourd'hui, on est dans un contexte politique où par exemple, l'opposition a été à un moment de l'histoire du Niger, récemment bien sûr, martyrisée avec les partis politiques qui sont concassés, si je peux l'appeler ainsi, avec aujourd'hui et le chef de file de l'opposition qui n'est pas sur le territoire du pays. Bref, on est en présence d'une opposition qui n'est opposition que de nom. Et lorsqu'il y a un monsieur comme Amadou Ali Max qui dérange, par exemple, il faut trouver aussi quelque chose. Par le président du, Front. Bien sûr, euh, euh, tout le monde. Euh, nous sommes tous unanimes ici que Max, c'est pour moi, et je suis sûr que ils vont partager mon avis, de la classe politique actuelle au Niger, opposition comme majorité, je pense que c'est l'une des têtes les plus remplies, les plus pleines et qui est en, termes de connaissances, en termes de connaissances, en termes, oui, en termes de vécu, en termes de beaucoup de choses. Je pense que Max aujourd'hui c'est une référence. Celui que je ne connais pas c'est Insar et qui est pour lui c'est une publicité aussi, même si ce n'est pas bon de, de à la justice, euh, en, prison. Alors, Mamadou du journal Niger Inter. Alors, est-ce qu'il faut voir réellement là euh, un péril à la démocratie et la liberté d'expression euh, euh, ou une volonté de préserver la stabilité, la stabilité je l'idée de l'état de droit. Vous savez, c'est notre domaine en tant que journaliste. Quand on parle de liberté d'expression, on fait référence surtout à un texte qui fait vraiment référence à la loi française de 1881 où les principes ont été clairement euh, affirmés. Euh, on est libre de s'exprimer, d'éditer, d'imprimer. Mais la loi de cet instant précise que, sauf il y a des limites, quoi. Maintenant, en cas d'abus, effectivement, on doit euh, expliquer. Maintenant, le cas Baba Alpha, il a dit, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, c'est autre chose. Mais pour ce qui concerne Insar, Max ou Ali Idrissa, il y a quand même des propos. Alors maintenant, c'est cela en réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas en fait un truc euh, euh, vide. Il y a de la matière là-bas au niveau du juge. Il va apprécier. Est-ce que véritablement euh, c'est quoi le reproche est constitué. Est-ce que vraiment les faits sont fondés En tout cas, parce que quand même c'est assez grave quand on entend par exemple certains chefs d'accusation euh, nous avons, nous avons en tout cas euh, via les réseaux sociaux lu certaines, euh, écouté certains propos, lu certaines déclarations. mais moi, je pense qu'en tant que citoyen, pour le moment, l'affaire étant pendante à la justice, en tout cas, on doit observer. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas du vide, il y a de la matière. Maintenant, elle s'est fondée Là, c'est autre chose. Mais moi, je pense que le plus important, dans un état de droit, nous devons quand même apprendre véritablement à nous exprimer dans les limites, en tout cas, euh, du, droit. Ne pas vraiment aller à sortir de l'état de droit. Murtala, Murtala du journal La Griffe, rapidement, pour euh, clore ces sujets. Péril ou pas péril, je crois que euh, tout, est, tout, est relatif, tout est relatif. Ça reste relatif à la position que l'on adopte. Euh, Rufa, il a dit, le politique est partout. Alors, aujourd'hui, on aurait prononcé un jugement de divorce entre, concernant un acteur politique. C'est une affaire purement familiale. Certaines personnes vous, vous verrez derrière la main de, du pouvoir qui serait en train de pouvoir euh, nuire à cet acteur politique. Et de l'autre côté aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des acteurs aussi politiques qui voudraient profiter de certaines situations pour régler des comptes à des personnes qui les dérangent. Donc, euh, euh, péril contre la démocratie, oui, si on se prend, met en place, on se, met euh, du point de vue des acteurs qui sont aujourd'hui incriminés, euh, il n'y a pas péril si on se met en, euh, du, côté de, ceux qui aujourd'hui sont en train de les poursuivre. Donc c'est relatif de mon point de vue. Dans, tous les cas, je pense qu'il y a une tâche qui est là, indélébile sur le régime en place. de Ces arrestations. Alors, nous passons sur euh, un deuxième sujet, c'est sur le donc euh, au volet politique. Nous avons donc euh, ce projet de loi portant révision des articles 47, 48, 53, 59, 85, 99 et 100 qui fait polémique. Pour certains, la procédure ne semble pas être tout à fait orthodoxe puisque ce texte a été soumis à l'Assemblée nationale au nom du gouvernement par le ministre de la Justice selon le journal L'Enquêteur, alors même que, remarque le journal, l'article 173 de la Constitution réserve l'initiative de la révision au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Les députés membres de l'opposition parlementaire ont d'ailleurs fait une sortie médiatique cette semaine pour dénoncer cela. Je vous propose d'ailleurs de suivre un texte, un extrait de l'article déclaration liée par euh, Falkir Bacharou, président du RDR Tchangi et membre du FRDDR. Le projet de révision constitutionnelle est porté devant la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale par le ministre de la Justice, qui le motive de façon lapidaire en une demi-page ne comportant aucune précision sur l'initiateur du texte. Pire, le ministre de la Justice allègue avec une désinvolture qui frise le ridicule que le dit projet est issu des recommandations du CNDP. On en rirait carrément si le sujet ne présentait pas la gravité d'une violation flagrante de la Constitution. L'opposition parlementaire ne peut donc et ne saurait nullement cautionner une violation aussi évidente de notre loi fondamentale. C'était plutôt Issoufou Isaka, président du groupe parlementaire Zam Lumana. Alors, vous venez de le suivre. Un commentaire, faille sur euh, cette procédure il est, clair, il, clair, que la Constitution est claire, c'est un dixième député le président de la République euh, ou le gouvernement qui peut euh, proposer euh, un projet de loi, qui peut proposer une révision d'un article. Mais j'ai cru lire une lettre, je ne sais pas si elle est authentifiée, qui semble il émane du président de la République qui disait avoir, qui confirme avoir été l'initiateur et de ce projet de, révision de ces, articles que vous avez cités. Dans tous les cas, pour moi, eh, je pense que le débat est normal d'être posé. Pourquoi Je me pose la question, pourquoi le président le fait maintenant alors qu'il <clears throat> avait eu la possibilité de le faire peut-être vers la fin même de son premier mandat, quand il était à la troisième, quatrième ou cinquième année de son premier mandat. Pourquoi il le fait C'est pour ça que dans l'esprit ou dans les esprits des uns et des autres, il y a, il suscite des interrogations. Pourquoi le président aussi veut toucher cet article sur euh, l'élection du président à deux mandats renouvelables une fois Là encore, c'est un problème. Ce matin, je suis sur une radio eh, internationale en Hausa, un député de la majorité qui disait c'est juste pour permettre eh, ou, pour essayer de concorder la Constitution aux, lois électorales pour qu'on puisse permettre aux candidats de se présenter. Je pense que quelque part, eh, il faut trouver d'autres arguments pour essayer de convaincre les Nigériens du pourquoi on a soumis ce texte aujourd'hui. Alors, Alhaji euh, Elage Suleiman Mamadou, faut-il craindre la révision de, de, ces articles cités de la Constitution euh, Bon, je crois que c'est tout à fait normal. La Constitution, c'est assez sensible. Euh, c'est, si vous voulez, euh, la loi fondamentale. mais je pense que l'inquiétude de l'opposition, c'est d'abord, au premier niveau, ce que le CNDP, donc ce Conseil national de dialogue politique, qui est censé véritablement permettre un consensus au niveau de la classe politique, euh, il a d'une certaine façon vécu. En réalité, ils n'ont pas pu donc euh, s'entendre pour travailler ensemble. L'opposition l'a purement et simplement écouter les euh, tout à fait. Donc, euh, en réalité, ils ont pensé, comme d'habitude, c'est là-bas qu'il faudrait justement s'entendre sur l'essentiel pour aller donc à ce niveau. Donc, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, il est dit que euh, le président de la République et donc le Parlement ont concurremment donc l'initiative donc d'une éventuelle révision de la Constitution. Mais là aussi, il y a des verrous, par exemple, il y a des articles qu'on ne saurait effectivement modifier euh, euh, donc, en réalité, selon donc, euh, les, initiateurs, en tout cas des, initiatives, c'est vraiment des aspects techniques, donc surtout des questions électorales où effectivement on a vécu des difficultés, où souvent il y a des, délais qui sont vraiment très courts qui ne peuvent permettent pas véritablement aux gens, en tout cas, d'être dans les, normes. Donc, et ça fait un peu du forcing et des fois on accuse le pouvoir en place euh, de vouloir un peu tricher ou bien de vouloir euh, de, donc des, des, des, des adversaires. Euh, bref, mais je pense que, comme il l'a dit, c'est vrai, donc on a appris que le président de la République, donc désormais, il a rectifié les choses, ou que ce soit le gouvernement qui n'est pas habilité à le faire. Donc c'est désormais lui-même qui a donc pris l'initiative sur lui, effectivement, donc de le faire. Maintenant, moi j'ai suivi aujourd'hui, en tout cas, un constitutionnaliste tu dis que véritablement, même si cela devait arriver, on ne peut que réviser les aspects vraiment techniques donc, on ne peut pas toucher au fond donc, le côté politique de la chose. Donc, moi, je pense que euh, ce qui nous rassure, euh, par exemple, euh, je sais que le président de la République a a maintes fois affirmé qu'il ne fera jamais de tuzarti et euh, euh, aux citoyens de le croire ou bien de ne pas le croire. Mais, comme vous direz l'autre, on ne croit pas sur parole parce qu'effectivement, si, euh, absolument, absolument. mais, je pense que l'élément le plus, le plus important, c'est de considérer que même si ça devait arriver, que les choses se passent euh, un peu dans les normes. Au, vu, dit... au, vu, des articles quand même soumis, l'article qui est relatif euh, au, nombre de mandats n'est pas, en tout cas, ne figure pas. Permettez-moi d'ailleurs de, citer quelques articles, le, fond de quelques articles. Par exemple, il y a l'article 47, le président de la République est élu au, suffrage universel libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Donc là, l'alinéa 5 est visée. La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ses opérations et en proclame les résultats définitifs. Pour ce qui est de l'article 53, c'est l'alinéa 7 qui est visée et cet article 53, c'est en cas de vacances de la présidence de la République par décès, démission, déchéance ou empêchement absolu, les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et si ce dernier est empêché par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de présence. Donc, et l'alinéa 7 de cet article dit lorsque le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du président de la République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part, ou renonciation à l'intérim, s'est porté candidat aux élections présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au président de la République à l'exception de celles prévues aux articles 59, 60, 61. Un dernier article euh, qui est concerné par, par ces modifications, c'est l'article 59. Le président de la République peut, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, c'est l'article 2 qui est visé et l'article, l'alinéa 2 plutôt de l'article 59 qui dit il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les 24 mois qui suivent les élections. Donc là, c'est quelques-uns des articles qui sont concernés par la modification en question. Murtala Mahamadou, un mot oui, euh, je suis euh, à chaque fois qu'on parle de, de, de, révision de constitution, euh, je crois que c'est tout à fait normal qu'il y ait des émois ou qu'il y ait des remous, vu comme l'expérience de notre pays pour ce, dans, dans, ce domaine. mais maintenant, je ne suis pas peut-être, euh, je, n'ai pas pris connaissance de documents de, projet, mais euh, sur la procédure, la procédure au départ, je suis d'accord avec les députés de l'opposition qu'elle a été biaisée. Le gouvernement n'a pas compétence pour initier un projet de réforme, de révision de constitution. Selon l'article voilà, de la Constitution, la Constitution, cette prérogative n'est reconnue qu'au Parlement et, au, président, de la République. Mais dans la forme, pour la, dans la procédure, euh, quel est le texte qui prévoit le, moins le moyen par lequel le président va transmettre ce projet, etc. Ça, c'est quand même, les textes restent muets. Donc, c'est peut-être ce qui a entraîné cette, euh, euh, cette euh, erreur, ou je ne sais pas, où le, le gouvernement, de concert avec le président de la République, ont estimé que puisque les textes sont mieux sont et ils peuvent être adoptés en conseil ah, des ministres et transmettre. Ah oui. Alors, peut-être là, il se serait seulement à la Cour constitutionnelle de nous édifier là-dessus. Mais sur les différents articles en perspective, dans les révisions, moi, j'ai beaucoup plus à craindre quand on veut peut-être élargir euh, les pouvoirs du, président de l'Assemblée qui assure l'intérim, parce que euh, il ne peut pas assurer les prérogatives de, l'article 59, à savoir la dissolution du Parlement. Si peut-être on veut modifier cela, c'est peut-être pour lui donner cette autorisation. Donc attention, je dis, euh, c'est bien de pouvoir modifier, mais il y a des choses quand même sur lesquelles nous devons rester prudents même si euh, dans ce projet, on ne parle pas de revision de, la limitation des mandats. Alors, L'autre, je pense que de la même, dès l'instant où le, gouvernement ou la présidence a compris qu'il y avait une vice de procédure dans quant à l'acheminement de ce projet, de, de ce texte de, loi devant le Parlement et que le président a même eu eh, la largesse d'esprit de décrire l'autre, je pense que doivent retirer ce texte. D'abord, je disais que le timing moi, je n'ai pas compris le timing. Pourquoi on le fait maintenant alors que le président avait eu la possibilité de le faire à la fin de son premier mandat Suleiman, Allah Suleiman l'avait dit que le président a toujours dit et qu'il ne briguerait pas, qu'il ne ferait pas de Les promesses, comme le disait Chirac, n'engage que ceux qui les, les, écoutent. Dans tous les cas, lorsqu'on touche à cet article 47, même si c'est son alinéa 5 qui va être touché, il, faut être, il faut, être extrêmement prudent, peut y avoir dégressions. Dans tous les cas, l'Assemblée nationale est majoritairement eh, eh, mouvance, présidentielle. Beaucoup de choses peuvent passer. C'est eh, dans cet ordre d'idée que je disais la dernière fois lorsqu'il y avait eu cette histoire de, de, de, aux députés, lorsque les gens pensaient que c'est leur mouvement sur les réseaux sociaux qui ont empêché ça. J'ai dit non combien sont les Nigériens qui sont sur les réseaux sociaux, combien sont les Nigériens qui peuvent faire des luttes pour empêcher un régime de passer et de, de retirer une loi. Lorsque le président veut changer un article au Niger, avec l'Assemblée qu'on a, les gens qu'on a, qui ne comprennent rien à rien pour la plupart, je pense que ça va passer comme une lettre à la poste. Prudence, on est en train d'aller droit au mur. Moi, je pense que pour l'intérêt supérieur de la nation, le président, dès l'instant où il a reconnu qu'il y a un vice de procédure, il doit retirer ses textes d'abord pour se conformer aux dispositions prévues par les textes. Alors, on sait que la révision ne concerne pas que la Constitution, il y a aussi le Code électoral. N'est-ce pas nécessaire pour corriger certaines anomalies constatées euh, lors des élections dernières euh, je suis sûr que, euh, de ce point de vue, je suis sûr que, nétait été le fait que euh, l'opposition et le pouvoir euh, n'ont pas pu s'entendre au niveau de ce NDP. Tout le monde a intérêt à ce que les lois électorales en tout cas, soient vraiment euh, mises à jour. simplement pour des questions techniques, des délais, de, certains délais. mais moi, je pense que, contrairement à ce qu'a dit mon confrère Dandoa, l'idée, si vraiment il n'y a aucune arrière-pensée de réviser la Constitution, on, a vu tout récemment le président français, dès qu'il est arrivé, très très euh, rapidement, il a considéré que euh, le code de travail il doit le réformer. Il s'est mis à l'œuvre, il l'a engagé. moi je pense que le plus important c'est de rassurer les citoyens qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, on va le faire pour le bien, pour l'intérêt général. Donc c'est pas vraiment un calcul euh, politicien qui dirait, cela. Donc moi je pense que de ce point de vue l'inquiétude de, de, de, de l'opposition c'est donc une question donc de, de, de, forme, mais aussi dans, quand je regarde aussi comme il l'a dit tout à l'heure euh, euh c'est que effectivement l'opposition c'est que euh, ça marche de manœuvre à l'intérieur d'autres parce que euh, le pouvoir dispose de la majorité véritablement pour, euh, au niveau de l'Assemblée. de l'Assemblée, donc c'est arrêter une façon maintenant de faire comme on dirait l'autre, donc euh, utiliser les médias en tout cas pour faire, la campagne, faire un procès d'intention au, régime, même si effectivement par ailleurs l'intention peut être bonne, peut être en tout cas euh, une bonne affaire pour, euh, pour le pays. Mais je pense que de mon point de vue, le plus important, c'est qu'on mette avant l'intérêt général si effectivement cette réforme est nécessaire, il faudrait vraiment qu'on puisse convaincre. C'est pourquoi il faut encore communiquer. Par exemple, maintenant, l'opposition, par exemple, a dit, a dit, que reproche à cette initiative. Il faudrait que maintenant le pouvoir sorte aussi dire au Nigeria les tenants et les applaudissants de sa initiative. Pourquoi pas Vous savez, le mm. euh, euh, président, c'était au, temps euh, des élections qui ont amené le président Youssouf au, pouvoir. Vous vous rappelez lorsque des dossiers ont été mis dans le tiroir. cela a été fait sciemment par le, par, euh, par le régime euh, de la transition de l'époque, le ministre de l'Intérieur l'a fait sciemment pour éliminer certains partis politiques. Et je me rappelle à l'époque, Bazoum Mohamed disait, je crois que c'est Azender sur la radio Anfani, que euh, si on part aux élections dans cette configuration, toute assemblée qui sera issue de ces élections sera illégitime. Et c'est avec cette assemblée illégitime qu'on a fait les cinq mandats. Donc comprendre qui peut. Euh, un mot, sur ce, ce, chapitre. Oui, oui, et je dis, je, pour rebondir sur ce que veut dire euh, Suleiman, je pense que autant qu'il y a, il y a des dispositions qui sont, euh, qui nécessitent de révision sur les aspects purement techniques, les délais, etc., euh, autant il y en a d'autres qui, de mon point de vue, euh, peut-être cachent quelque chose derrière. Cache parce des intentions. Cache des intentions. je, je puis comprendre qu'on puisse réviser les dispositions de la Constitution et du Code électoral et qui, qui, sont, qui ne sont pas uniforme sur la question du processus électoral, mais je ne puis comprendre qu'on puisse peut-être réviser la ligne que vous venez de lire, vous voulez peut-être élargir les pouvoirs, les compétences du, du, président de l'Assemblée qui serait en train d'assumer le président de la République. Pourquoi lui reconnaître la prérogative de dissoudre un Parlement s'il n'y a pas peut-être des calculs derrière On peut peut-être, euh, euh, procès pour procès, faire le un procès à l'opposition. Si aujourd'hui euh, ce texte est arrivé au Parlement, c'est parce que l'opposition a opté pour la politique de la aussi vide au, Conseil national de la politique. au niveau du Conseil de la politique. au CNDP, ils n'auraient pas empêché quelque chose. Au niveau du Conseil, ils allaient l'empêcher parce que le CNDP, les décisions devaient se prendre, elles se prennent normalement par consensus sur ce qui est des questions électorales. Alors, s'il n'y a pas consensus, les décisions ne passent pas. Ah, Donc, elles alors, alors nous, allons passer, nous allons passer cette fois-ci à la page sport. Donc, euh, le MENA je le disais, a fait, honneur, fait honneur au Niger en décrochant des qualités notamment en demi-finale, en allant à la demi-finale et conséquemment à la Coupe mondiale de la même catégorie qui se tiendra en Inde au mois d'octobre prochain. Cependant, vous vous rappelez, la demi-finale a été perdue par le cadet MENA euh, face au Black Starlet du Ghana à la suite de séances de tir au but. Le MENA KD jouera ce dimanche 28 mai à Libreville contre la Guinée-Conakry pour la troisième place. Alors, euh, Rufai Dandoua, vous êtes journaliste indépendant, vous étiez journaliste sportif. Le MENA a une fierté pour le Niger rassurez-vous, je suis aussi autant à l'aise en sport qu'en politique parce que je soutenu sur euh, un thème politique. Donc, le sport, c'est une passion, c'est vrai. Et le MENA, on ne peut dire que chapeau pour ses enfants qui ont ici haut le drapeau du Niger. C'est la première fois qu'on qu'on arrive à ce stade de la compétition. Il y avait eu plusieurs tentatives <clears throat> qui ont échoué. Cette fois-ci, les joueurs ont ici avec euh, l'encadrement technique, le niveau du jeu, le niveau du coaching pour euh, être là où nous sommes aujourd'hui. Surtout, donc, euh, comme vous l'avez dit, la qualification et aux demi-finales donne droit automatiquement à une qualification à la Coupe du Monde. Je pense que c'est une première dans l'histoire du football. On ne va pas dire du sport parce qu'on a connu Alphaga récemment. Ces enfants euh, font la fierté aujourd'hui du Niger. Moi, pour moi, qu'ils gagnent la troisième place ou qu'ils la perdent, dans tous les cas, l'objectif est, est, largement atteint. Ce n'est même pas, c'est, pas un objectif, c'est une prouesse euh, incroyable que ces, ces, enfants ont en fait. Aujourd'hui, ils seront à la Coupe du Monde à partir de, d'octobre euh, prochain. Il faut maintenant euh, je me rappelle, je crois qu'il l'avais dit ici, il ne faut pas qu'on fasse de, la, de récup aujourd'hui si on ne peut pas mettre les enfants dans des conditions. Aujourd'hui, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Il faut qu'on mette les moyens pour qu'ils pas pour euh, gagner. Euh, peut-être, Rufai, d'aucuns se demandent comment est-ce que des cadets, moins de 17 ans, arrive à faire peut-être mieux que les, seniors, le MENA euh, national. Ce n'est pas, ce pas la, même chose. Il y a l'insouciance qui est là, c'est des enfants moins de 17 ans et s'en fichent. Ils jouent. Ils nous ont moins de soucis, vous pensez oui, oui, il y a l'insouciance, ils jouent décomplexés, ils jouent sans pression, ils jouent normalement les enfants. Parce que les autres jouent sous pression. Normalement, les enfants et les femmes, quand ils jouent au football, ils jouent pour se faire plaisir. Ce n'est pas le cas pour, pour les hommes qui ont une obligation euh, de résultat, forcément, et c'est pour ça que ça bloque. Et dans la catégorie senior, toutes les équipes sont presque aguerries. Et dans ce stade de, de, la compétition chez les seniors, on est aujourd'hui euh, très, peut-être à la traîne, on est peut-être dernier ou avant-dernier. Vous ne pouvez pas Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas, pas lié aux questions de moyens Non, oui, il y, a les moyens, il y a la politique du sport aujourd'hui au Niger aussi qui est défaillante, qui n'existe même pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a rien, il n'y a aucune compétition pour les jeunes, tant en football que dans les autres, les autres disciplines. Aujourd'hui, ces enfants ont fait et, ces, ces, cet exploit, mais même s'ils grandissent, ce n'est pas évident qu'ils soient à la hauteur du Sénégal parce que euh, au Sénégal, au Mali et dans d'autres pays, tout a été mis en place pour que ces joueurs demain progresser. progresser, aller dans des grands clubs en Europe et venir demain représenter leur pays. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'y a aucune euh, politique sportive et il n'y a aucune ambition à long terme, tant chez nos dirigeants sportifs que chez nos autorités euh, politiques. Et là, Mamadou, la, la prouesse du MENA mm, Ben, je pense que Dando, c'est une voie autorisée. <laughs> sans, vous adhérer. Absolument. Et donc, euh, je pense que ça fait la fierté, en tout cas, euh, de tous euh, d'apprendre cette prouesse des de, jeunes. Donc, ce qui fait que moi, de mon point de vue, il faut réitérer ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'au niveau de, de, pouvoir public, avant tout, et au niveau, en tout cas, des opérateurs économiques de la nation, créer les conditions, en tout cas, que notre football suit le rythme du monde. Si le Sénégal a fait, la Côte d'Ivoire, les autres pays, c'est avant tout les moyens qu'ils ont créé les conditions. Donc, pourquoi pas chez nous Il y a des efforts qui, sont en train d'être faits, mais il va falloir faire vraiment de ça, avoir une vision politique, une volonté politique vraiment affirmée pour qu'effectivement notre football vraiment puisse sortir, en tout cas, la tête de l'eau, comme on dit. Mortala Mamadou, nous n'avons pas ah, les prouesses, on a avec euh, les deux autres. un pronostic peut-être pour le match de troisième place que euh, c'est toujours délicat de faire un pronostic, surtout sur une compétition où c'est à, ce stade, Rufai va peut-être le confirmer, parce que oui, les équipes sont très méconnues, c'est donc c'est difficile de pronostiquer, mais la fibre patriotique va me faire, euh, euh m'imposer que je, de, prononce de oui, garder l'espoir et d'espérer qu'au moins nous aurons la troisième place. Mais quoi qu'il en soit, troisième place ou pas, les jeunes sont déjà rentrés de l'histoire. Alors pour, rapidement le, football a, quelque chose, ce charme que même si vous êtes favori, c'était le cas du Ghana. Le Ghana était largement favori, mais le staff technique avait mis un dispositif tactique qui a contré les Ghanais et on était parti 0-0. On aurait pu même gagner le match parce qu'on avait, de on avait, la, on avait la, la, balle du match autour au but, on l'a manqué. Le football, ce n'est pas comme et les autres sports ou par exemple, le basket où il y a 100 à 54 ou, 100 à 200. Le football, on peut le faire sans marquer un but. C'est ça le charme du football. Alors, pour, finir, euh, je le disais en début, les populations ou dans la région de Tilaberi sont de plus en plus mécontentes des dégâts que causent les hippopotames sur leurs champs, rizières, jardins et autres. Ces populations qui ne peuvent tuer les hippopotames au risque d'écoper de lourdes sanctions vu que les hippopotames sont des espèces protégées. Suivant ces reportages de Moussa Hassan et Abdoulaye Mamou le département d'Ayuru est l'un des sites touristiques les plus célèbres du Niger grâce à ses espèces aquatiques dont les hippopotames. Pourtant, la cohabitation de ces animaux avec les populations n'est pas facile. Ces derniers vivent essentiellement du fleuve. Or, cette année, en plus de la destruction des champs, rizières et jardins potagers, les hippopotames se sont aussi attaqués aux hommes et aux animaux domestiques, comme en témoigne Mohamed Al-Bashir, le chef de canton d'Ayuru. Les hippopotames leur font beaucoup de dégâts. Ils n'arrivent pas à faire de bonnes récoltes. Les hippopotames, des fois, lors des navigations sur le fleuve, cassent leurs pirogues. Il y a même des fois où il y a mort d'homme. On a eu vraiment des difficultés à les calmer. Se disait excédé d'attendre une éventuelle réaction des autorités qui, disent-ils, tardent à venir. Pêcheurs, éleveurs, cultivateurs et simples citoyens riverains du fleuve ont organisé une marche de protestation le 9 mai passé. Le chef de village de Koutougou regrette que les pêcheurs qui ont abattu des hippopotames pour protéger leur territoire aient été sanctionnés. Écoutons Mohamed Al-Hadi Adam. Ce sont les hippopotames qui nous ont empêchés d'avoir les produits de nos terres. Nous nous sommes plaints à plusieurs reprises aux autorités que qui nous ont trouvé aucune solution jusqu'à présent. Ainsi, avant-hier, sans nous aviser, les pêcheurs ont abattu un hippopotame à Ayeru et un autre à Frigo. Ils ont été amendés chacun 2 millions de francs CFA. C'est pourquoi ils ont organisé cette marche. Oh. Le 15 mai, certains ont même annoncé leur intention de procéder à l'abattage traditionnel massif d'hippopotames. Mokhtar Zoukaleni est le chef de village de Doulsou. Il explique que leurs attaques répétées empêchent même les évacuations sanitaires des îles. Nous vivons sur une île et la nuit en cas de violence maladie, nous ne pouvons pas traverser le fleuve. Si c'est une maladie grave ou un accouchement et que le bien portant, par peur des hippopotames, refuse l'évacuation, cela peut entraîner la mort du malade. Si vous prenez le risque de la traverser aussi, l'hippopotame peut tuer l'un d'entre vous. Quatre hippopotames ont été abattus, c'est à ce moment-là seulement que les chefs traditionnels ont été sollicités pour une médiation entre les populations et les autorités. Alors, vous venez de suivre ce reportage. Ayarou qui est reconnu donc, pour ses hippopotames. Finalement, euh, les populations euh, paient pour, cette, célébrité. Rufai Dandoua euh, Écoutez, que faire pour, devant une telle situation délicate Qu'est-ce qui peut être la solution Il faut être réaliste. Hein. Et je ne ferai pas plaisir aux défenseurs des, des, droits des animaux, mais je pense que lorsque le choix se pose entre eh, un être humain et 100 hippopotames, Oh, il n'y a même pas matière à, discuter. Lorsque ces hippopotames, c'est vrai, ce sont des espèces qui sont peut-être en voie de disparition, euh, euh, même dans la religion, Dieu a dit, j'ai créé des animaux pour vous, les êtres humains, pour manger et pour s'en servir. Lorsque aujourd'hui, ces animaux qu'on a faits pour nous deviennent un danger pour nous, ils nous tuent, ils tuent nos enfants, ils tuent nos parents, ils tuent nos femmes, et nos, nos frères arrêtez. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Soit on, on, essaie de voir quel est, puisque dans, dans tous les cas, ce n'est pas tous qui font ces dégâts. Voilà, voilà, il y a des spécialistes qui sont là, qui peuvent reconnaître quel est l'animal qui fait le plus de dégâts. Maintenant, s'il faut euh, le capturer, l'amener au musée pour euh, l'enfermer là-bas, ou s'il faut le tuer même, parce que je pense que mieux vaut tuer un animal que de laisser des, des êtres humains mourir. Moi, je suis vraiment euh, clair, catégorique là-dessus. Ah. en tout cas, franchement, c'est assez délicat, d'écouter ces populations, en tout cas, raconter leur calvaire. Euh, je pense qu'il est urgent à ce qu'une solution soit trouvée au niveau du ministère de l'Environnement. La solution pourrait euh, être. C'est-à-dire que, bon, euh, je pense que euh, ils doivent avoir des réponses. C'est-à-dire que sinon, je pense qu'on le, on le sent au niveau des porte-parole de cette communauté les jeunes ne peuvent pas, en tout cas, s'empêcher de sévir. Seulement, il y a euh, des lourdes sanctions. On avait entendu des gens qui ont été oh, écopés de Oui, mais justement, comme l'a dit il, faudrait qu'on soit réaliste. Il faudrait qu'on soit réaliste. Euh, imaginez, il dit que même, par exemple, une femme euh, hein, accouchée, vous voyez, c'est un problème de, à plusieurs dimensions. Et moi, je pense qu'il faudrait véritablement, soit aussi, on peut trouver une solution, faire déplacer <laughs> les, les, les hippopotames

En tout cas, euh, je sais pas moi. Murtala, Mamadou, dernier mot. Oui, euh, je crois que euh, euh, vient de le dire. Il faut peut-être trouver la solution de faire déplacer ces autant des zones d'habitation. c'est faisable, mais ici. c'est faisable. Oui, je Vous êtes pêcheur Non, je, ne le suis pas, mais je crois que c'est, faisable. C'est faisable. C'est possible de le faire. Donc il faudrait que oui, oui, détecter l'animal qui fait mal et puis prendre les dispositions qui sont parce qu'avant tout, on veut bien protéger les animaux, mais je pense qu'il faut <laughs> d'abord protéger les humains. Euh, c'est ici que prend fin à 18h58 minutes euh, le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Rufai Dandoua, journaliste sportif et indépendant, Elhaj Suleiman Mamadou du journal Niger en ligne Niger Inter, Murtala Mamadou du journal La Griffe, présentation à la Sainte-Cousine Mamadou, réalisation Diallo Boubacar à la technique à Santawe. Bonne soirée à tous.